toujours été un pays accueillant. Il nous a accueillis. On est bien au Niger. On est fier du Niger. Nous sommes aujourd'hui contre la décision de la CDAO. Nous voulons que tous les pays de la CDAO résident au Niger, il faut faire un grand fatia pour qu'un grand paix revienne dans notre pays, le Niger d'accueil. on n'a jamais eu de problème. Il n'y a aucun ressortissant qui a eu de problème au Niger. On fait la paix. On est ici avec la paix. Et on va rester avec le Niger. N'importe où on est, on est avec le Niger. Vive le Niger Vive le Niger Nous sommes là, nous sommes en paix. Nous sommes des Nigériens. Nous sommes des Nigériens. Aujourd'hui, nous sommes des Nigériens. un seul peuple. Après les de la CDAO. La Frères et sœurs, nous sommes enfants d'une même patrie, le Niger. Nigérienne, Nigérien, comme l'indique le nom de notre hymne national, l'honneur de la patrie, le Niger a aujourd'hui besoin de tous ses enfants. Pour protéger notre dignité, garantir notre indépendance véritable et assurer un avenir radieux pour les générations futures, nous devons nous mobiliser pour la défense effective de notre cher Niger. Mobilisons-nous pour dire non à toute forme d'agression contre notre territoire et notre peuple. Mobilisons-nous pour défendre notre souveraineté, Mobilisons-nous pour refuser toute forme d'atteinte à notre chère patrie. Mobilisons-nous pour soutenir nos vaillantes forces de défense et de sécurité réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. défendons la patrie au de notre sang. Nigériens, Nigériens, comme l'indique toujours notre hymne national, nous sommes tous enfants d'une même patrie, le Niger. Le Niger, notre patrie. Le Niger, notre bien commun. Le Niger, notre héritage commun. Alors mobilisons-nous autour de tous les symboles du pays, à travers des sittings, des marches, bref, à travers une mobilisation permanente jusqu'à la victoire. C'est un devoir pour chaque Nigérien, fier de porter cette nationalité de se constituer en bouclier humain et en soldat pour défendre la patrie. Debout le pour le combat. À travers ces mobilisations, nous disons clairement et ouvertement non à une intégration par la violence, mais oui à une intégration basée sur des valeurs de solidarité, de fraternité, de paix et de respect de la souveraineté du Niger. Nous de me rendez-vous, portant haut le drapeau. bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour 21 septembre 2023 dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence du général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État. Au titre du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Au titre du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Ces trois projets de décret sont pris pour faire suite au décret portant composition du gouvernement et déterminant les attributions des membres du gouvernement. Ils ont pour objectif de doter ces départements ministériels d'un cadre organisationnel leur permettant de remplir leur mission. Mesures nominatives le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, colonel Issan Allah, matricule OA bar SM, est nommé haut commandant en second de la garde nationale du Niger. Lieutenant-colonel Mohamed Oumarou Garba, matricule bar sm est nommé conseiller technique du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Médecin commandant Mohamed Bouzou, matricule OABAR-SM est nommé directeur des services de santé et de l'action sociale de la garde nationale du Niger. Commandant Mahamadou Mamadou, matricule OABARES-M, est nommé directeur des ressources humaines de la garde nationale du Niger. Lieutenant-colonel Adamou Meina Moussa, matricule OABAR-SM est nommé directeur des statistiques et de la formation de la garde nationale du Niger. Lieutenant-colonel Saleh Oumarou Garba, matricule OABAR-SM est nommé inspecteur à l'inspection générale des services de sécurité IGSS. Les personnalités dont les noms suivent sont nommés préfets des départements ci-après. Ingal, commandant Hamed Al-Kassoum Edo, matricule 73 757 bar X. Difa, M. Mahmoudou Hamma, matricule 57 205 bar M, Goudou Maria, Monsieur Ibrahim Souley, matricule 59675 bar M, Dosso Ousseini Umma Tambari, matricule 59-986, bar D, Tibiri, M. Ali Amadou, matricule 62 527 bar F, Aguier, officier de police Hawa Sani Amadou, matricule 83 267 bar Y, Gazawa, M. Mahamadou Alzuma Hamadou, matricule 11 685 k Mayahi Monsieur Adamo Munkaila Moussa, matricule 79 628 Bar P Tessawa Monsieur Salif Moumouni, matricule 102 221 Bar S Malbaza Monsieur Amadou Isaka Alou, matricule 6500 Bar C Bouza Monsieur Abdraman Zangoma, matricule 152 916 Bar M Ilela, M. Abdoujibo Isiaka, matricule 63 724 bar V Keita Monsieur Hamabouraima, matricule 87 bar Y Tawa Monsieur Yoni Badjeba Dile, matricule 064 637 bar E Kolo, Madame Aïsata Haruna Faramaïga, matricule 55 511 bar F, Tilaberi, Capitaine Hamsatou matricule OA bar SM. Tesker, capitaine Kadade ISIA, matricule 48 à 618 B, Matame M. Hambali Umoru, matricule 87067 bar W, Dungas M. Nomagali, matricule 87062 bar R, Magaria M. Lampo Yampambu Mahamadou, matricule 87318 bar Z, Miria, capitaine Ramatou Abdoulaye, matricule OA bar SM, Taketa M. Abdoulaye Isiakou, matricule 112-164-S. Communication. Le Conseil des ministres a entendu deux communications. Une communication du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique relative à l'attribution des marchés publics passés par appel d'offres ouvert national pour la construction d'un bâtiment R2 pour l'extension du rectorat de l'Université Abdou Moumouni de Niamey ce marché d'un montant de 384 813 507 francs CFA, toutes taxes comprises, a pour attributeur l'entreprise Adam le constructeur avec un délai d'exécution de 10 mois. Une communication du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement relative à l'attribution des marchés publics passés par appel d'offres ouvert international limité pour les travaux de réalisation de deux systèmes d'alimentation en eau potable des centres semi-urbains dans la région de Tilaberi. Ce marché d'un montant d'un milliard 389 millions 311 794 francs CFA hors taxe a pour attributeur le groupement d'entreprises Agaba ERT Sarl avec un délai d'exécution de 10 mois. Ces communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 018-PM-ARCOP du 18 janvier 2023 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 alinéa 1 que tout achat public dont le montant est égal ou supérieur à 300 millions de francs CFA hors taxes sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a levé la séance. Le Premier ministre de la Transition, Lamine Zen Ali Maman, a reçu en audience le jeudi 21 septembre 2023 le chargé d'affaires de l'ambassade de Belgique au Niger, Eric Mayer. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Logement a effectué une série de visites sur les réalisations dans la ville de Maradi. Compte rendu, Sokoy Balkissa et Nasiru Nakakali. Il s'agit pour le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat Salissou Sahiru Adamou qu'accompagne le gouverneur de la région de Maradi, du secrétaire général du gouvernorat, du président du conseil de ville, du secrétaire général du conseil régional, des forces de défense et de sécurité et des cadres centraux de son ministère d'apprécier à travers cette visite terrain l'évolution des infrastructures de la capitale économique. Le ministre est allé voir de plus près le chantier de pavage et de traitement du ravin au quartier Mazadajika et celui du chantier de pavage des ravins au quartier Zaria en instance de réception définitive. La mission a visité les différents compartiments afin de s'assurer de la qualité des travaux des logements sociaux situés sur le site de la ferme avicole. Le ministère a retrouvé une infrastructure de grand standing répondant aux normes requises qui comprend 300 logements sociaux. Sur le terrain, la délégation a reçu d'amples explications sur l'état d'avancement des travaux. La mission s'est rendue également à la direction régionale de l'urbanisme pour s'inquérir des conditions de travail des agents de la dite direction, relevant de son département ministériel. Au terme de cette visite, le gouverneur nous livre ses impressions. Cette visite nous a permis de constater la le ministre que les promoteurs immobiliers ont accepté d'accompagner cette nouvelle dynamique en proposant à nos concitoyens des logements sociaux. Cette visite nous a permis de constater que certains directrices promoteurs ont déjà commencé les travaux et nous ferons en sorte que les fonctionnaires nigériens puissent profiter de cette opportunité. Ça nous a permis effectivement de recevoir les conseils du ministre par rapport au traitement de cette question sont déjà finis. Quant à leur pérennité, quand vous faites des pavés et qu'il n'y a pas de suivi, on risque de les perdre dans un bref délai. Les solutions ont été données au président du conseil de ville afin de prendre encore ce volet-là de sensibilisation, sensibiliser le concitoyens pour prendre en charge aussi ces ouvrages qui sont finis parce qu'ils ont été construits à coût de milliards pour le bonheur de nos concitoyens. Notons qu'au terme de son séjour à Maradi, le ministre a rendu des visites de courtoisie au sultan de Kasséna et du Gobir. Le gouverneur de la région de Zender a poursuivi ce matin sa série de rencontres et de visites dans les services déconcentrés de l'État, compte rendu Kassou Moutari et Lawali Hussein. De la station régionale Radio Njar de Magaram, un démembrement de la radio et télévision du Niger, la RTN, à la direction régionale de la fonction publique et de réforme administrative, en passant par la Direction régionale du commerce et de l'industrie, le service relais de l'Observatoire national de la communication, le service régional de diffusion TDN, Télédiffusion du Niger communément appelé CETV, et la Direction régionale de l'Agence nigérienne des allocations et de bourses ANAB, le gouverneur de la région de Zander, partout où il est passé, a reçu un accueil chaleureux de la part des agents, preuve de leur soutien aux nouvelles autorités du pays. Le colonel Youssouf Labo devait par la suite recevoir des explications détaillées de la part des différents responsables et directeurs régionaux de ces différents services de déconcentrés de l'État. Opportunité saisie par le colonel Youssouf Labo pour écouter attentivement les préoccupations des uns et des autres avant d'échanger avec l'ensemble des agents trouvés sur place sur, entre autres, les problèmes auxquels ils sont confrontés. Des préoccupations surtout relatives à l'insuffisance des ressources humaines, des moyens logistiques et financiers pour le fonctionnement de plusieurs services. Le premier responsable de la région a également saisi cette opportunité pour leur transmettre les salutations fraternelles du chef de l'État, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Chani Abdraman et celle du premier ministre de la transition, Ali Lamine Mohamed le colonel Youssouf Labo n'a pas manqué de transmettre partout le message du CNSP, à savoir entre autres l'unité nationale, le renforcement de la cohésion sociale, de cultiver l'esprit de la paix, la solidarité, le travail bien fait et surtout la dépolitisation de l'administration. Au niveau de la station régionale RTN Zander, le gouverneur de la région a tenu à faire une motion spéciale au rôle joué par la RTN depuis les événements du mois de juillet 2023. Il a par ailleurs émis le vœu de voir partout où il s'est rendu que les populations intensifient les prières collectives et autres invocations afin que le Tout-Puissant Allah descende la paix et sa bénédiction sur notre pays souverain, gage de tout développement. Il faut souligner que, au cours de ces visites, le contractuel de l'éducation suite à mes ententes avec les agents de poste et télécommunications. Le premier responsable de la région s'est rendu sur place au guichet, au bureau du receveur de la poste, où séance tenante, le colonel Issouf Labo a réglé la situation au plus grand bonheur des agents contractuels de l'éducation. Les autorités administratives de la région d'Ottawa mettent le boucher double pour mener les vaccinations du cheptel conformément aux directives des autorités du CNSP, le point sur les préparatifs de cette caravane sanitaire avec Fatih Bamou et Mahamadou Agoumou. À route pour Agadez où elle va procéder au lancement officiel de la caravane zoosanitaire, la mission du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a séjourné à Tawa. Occasion pour la délégation conduite par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Salifou Issiakou, de constater le niveau des préparatifs de cette campagne de vaccination dans la région d'Etawa. Euh, nous sommes là et comme vous le constatez, et tout est fin prêt. Tout est fin prêt. En tout cas pour que les activités de vaccination puissent démarrer dans les bonnes conditions. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que euh, le secrétaire général a même amené un complément donc, de certains produits qui devraient être ajoutés au stock, donc qui est déjà disponible au niveau de la région. Nous sommes sur le site de Inkana, sur les terrains précisément dans la zone pastorale par excellence d'Ibécétan. La mission a trouvé les agents vétérinaires à pied d'œuvre pour conduire les séances de vaccination. Donc euh, l'objectif était de passer en caravane euh, retrouver ces éleveurs-là, discuter comme on l'a fait de leurs préoccupations, de l'heure et profiter pour vacciner. Euh, notre objectif était de venir comme on l'avait fait dans la région au niveau régional, de constater les niveaux d'organisation de cette caravane conformément aux instructions du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et en même temps, à court chemin, visiter les équipes pour voir les niveaux de progression et d'organisation de cette campagne nous avions constaté la disponibilité des produits. Donc c'est pour dire que tout est prêt, en tout cas pour que l'édition de la cure salée eh, sera lancée avec ce thème caravane zoosanitaire le 23 eh, septembre. Inch'Allah. Il faut relever que toutes les dispositions ont été prises par les autorités administratives pour conduire à bon port cette caravane zoosanitaire dans la région d'Etawa. Cérémonie officielle de réception hier à Tirozérine des travaux de réhabilitation des locaux des inspections de l'enseignement primaire 2 et secondaire du dit département exécuté par le groupe SOS en synergie avec le GIE Taxa. C'était en présence des autorités régionales, départementales, municipales, coutumières, des responsables du domaine de l'éducation et de plusieurs invités, compte rendu à Sadek al et Iklas Mohamed. La visite guidée de l'inspection de l'enseignement secondaire général et celle du primaire 2 de Tirozérine, précédée par la remise de témoignages officiels de satisfaction à l'endroit du PDG du groupe SOS, sans oublier au passage les témoignages éloquents de plusieurs intervenants de reconnaissance et d'encouragement, parmi lesquels celui du représentant du groupe SOS et du GIE Tagaste, sur ces sujets. Le groupe SOS, comme à son habitude en pareille circonstance, en partenariat avec euh, le GIE Tagaz, a apporté un précieux appui financier pour réhabiliter entièrement les bâtiments qui abritent ces deux inspections. Neuf bureaux, des salles de réunion, un hangar, des blocs de latrines. Manque depuis longtemps de sanitaires décents et menace d'effondrement exposant ainsi la vie du personnel à des périls graves et de conditions d'hygiène et d'assainissement dégradantes sous la conduite de son PDG Al-Haji Asalef Ibrahim Ari. Cet opérateur économique dont la mémoire collective de la région d'Agrès garde encore les multiples relations dans les domaines de l'éducation, de l'hydraulique villageoise pastorale, de la santé, l'appui en entrant agricole, etc. Ce cadre n'a pas en outre laissé indifférent le préfet du département de Tirozérine. Ce n'est pas leur première mise en œuvre dans le cadre de soutien à l'État, surtout dans le secteur de l'hydraulique, l'agriculture par la protection des végétaux, de la santé et de l'éducation. C'est ce nous le remercions. Et que nous ont aussi les félicitations de nos hautes autorités à la tête, son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. Secondé par son Excellence Lamine Zen, Premier ministre, chef du gouvernement. Notons que cette cérémonie a été le théâtre de plusieurs prestations artistiques et culturelles, de sketch sur l'importance de l'éducation, de la comédie, sur la parenté à plaisanterie, de l'artiste Radio ainsi que de la poésie sur l'identité, les interventions et actions pluridisciplinaires du groupe SOS. L'association des anciens combattants, veuves et orphelins de Saï a organisé une déclaration de soutien au CNSP Abdoulaye Soumana pour le compte-rendu. C'est à l'appel de leur structure commune que les anciens combattants, les veuves et orphelins de Saï sont sortis massivement ce mercredi 20 septembre 2023 pour apporter tout leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie retraité certes, mais très actifs quand il s'agit des questions relatives à la vie de la nation. Cette déclaration rendue publique prouve une fois de plus leur engagement patriotique. et orphelin de Saïe, très sensible face à la situation qui est d'actualité que traverse notre pays, décide d'apporter son soutien total au CNSP tout en condamnant l'attitude de la France et de ses alliés de la CDAO contre un État souverain. Demande au CNSP de traduire en justice tous les auteurs des malversations financières et autres abus. Ces anciens FDS, veuves et orphelins tiennent à accompagner le CNSP à travers la livraison des renseignements fiables. En recevant la déclaration, le préfet sortant de Saï a promis de la transmettre à qui de droit. Au nom des autorités de la transition avec euh, à son Excellence euh, Abdraman Chani, nous vous remercions. Votre déclaration cadre parfaitement avec euh, l'avènement parce que le Niger est aujourd'hui agressé. Et nous venons de détecter tous les ennemis, en l'occurrence la France, la CDAO et certains fils du pays égarés. Des fatias ont été dites à cette occasion pour que Dieu veille sur le Niger, son peuple et ses dirigeants. Le cadre permanent de concertation issu du forum régional tenu les 26 et 27 mars 2022 à Tilaberi est sorti cet après-midi pour rendre publique une déclaration par rapport à la situation sociopolitique qui prévaut au Niger. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration avec Mariam Ibrahim Sabi et Suleiman Wali. Le cadre permanent de concertation condamne avec vigueur les agissements de la CDAO pour avoir infligé des sanctions lourdes de conséquences inhumaines allant jusqu'à bloquer les produits pharmaceutiques et les produits de première nécessité. À la France, le CPC rappelle que si le président Macron a perdu son contrôle, parce qu'avec le Niger, son précaré s'effondre, mais qu'il sache raison garder. Le CPCT rappelle à toute fin utile à la France et à la CDAO que la marche vers le progrès du Niger est irréversible. Les Nigériens en ont pris conscience et sont déterminés à aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, avec l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, l'espoir est permis pour une gestion plus responsable, rigoureuse et efficace de cette situation d'insécurité qui a tant endeuillé toute la région de Tilabiri en particulier et le Niger en général. Mesdames et messieurs, sur ce, nous invitons tous les cadres de la région de Tilabéry à s'unir comme un seul homme afin d'appuyer le CNSP en vue du retour de la paix, la quiétude sociale à Tilabéry en particulier et sur l'ensemble du territoire de la République du Niger. La base estudiantine de Lyonoun a animé cet après-midi un point de presse en vue d'analyser la situation sociopolitique du Niger dans ce contexte actuel. Des points saillants ont été relatés sur les changements opérés cette semaine dans le Sahel. Compte rendu Jamila Amadou et Boubacar Imran Maïga. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de ce point de presse. Il s'agit de la création de l'alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel, la promotion de l'agriculture et de l'élevage dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la création d'une monnaie unique entre les trois pays du Sahel en vue de liberté souveraine. Au vu de la signature par le CNSP de l'Alliance des États du Sahel récemment intervenue et qui met en tout cas en synergie, les différents États du Sahel pour défendre notre État, nos territoires, les territoires des trois frontières, à savoir l'État du Mali, du Burkina Faso et également du Niger, le comité exécutif de l'ONU encourage le CNSP pour avoir pris cette décision salutaire allant désormais permettre la défense de nos différents territoires sans compter sur la CDAO. C'est pourquoi nous demandons aux États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a créé toutes les conditions de mettre fin aux franc CFA en créant une monnaie unique. Notons également que plusieurs doléances ont été émises en vue de renforcer et de promouvoir l'intégration des jeunes diplômés à la fonction publique. Le comité de soutien au CNSP, section de Gamkale, a organisé hier 20 septembre 2023 un meeting, une initiative des jeunes qui disent non au modèle imposé au nom de l'impérialisme. Ce rassemblement des jeunes de Gamkale vise le départ des militaires français du Niger. L'appel du comité de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a été entendu par la population qui est sortie nombreuse. Une population unie comme les doigts de la main et qui fait bloc derrière le CNSP et le gouvernement de la transition pour faire échec à tout acte et toute action de nature à remettre en cause la souveraineté du Niger. Il est temps de retrouver notre identité pour préserver notre dignité, notre liberté et notre bonheur, des biens qui ne sont pas négociables et pour lesquels nous nous battons sans relâche. Nos choix peuvent être difficiles, mais nous sommes prêts à les affronter. L'idéal en vaut la peine. Femmes, hommes, Jeunes et vieux, la liberté est un fardeau qui implique la prise de nos propres responsabilités. Nous devons forger notre esprit et préparer notre psychologie en chassant que les épreuves ne sont que le résultat inévitable d'une révolution en marche. Autorités administratives, coutumières, religieuses et autres leaders d'opinion, membres d'organisations de la société civile, ont marqué leur adhésion à cette démarche des jeunes de Gamkali. Chers jeunes, il est temps de sortir des statuts, des spectateurs passifs, de rompre avec l'esprit de dépendance. Le moment est venu, c'est maintenant. Il est temps. Notre devise doit être la suivante. La jeunesse au service de la résistance. Pour un patriotisme inébranlable, nous représentons 75% de la population et c'est notre devoir de jouer un rôle central dans cette lutte. Tous unis pour un nouveau Niger, sans colonisation, sans injustice, sans ethnocentrisme, était le message véhiculé par les organisateurs. Le meeting s'est déroulé dans une ambiance électrique ayant tenu en haleine les manifestants avec des chansons dédiées surtout aux forces de défense et de sécurité. Le mouvement pour la conscience patriotique a organisé hier soir au quartier Koubia un débat terre à terre autour des thèmes relatifs à, la vision du CNSP et au soutien que le peuple nigérien devrait apporter pour défendre l'honneur de la patrie. Plus de détails avec Issa Ousmane Mohamed et Amadou Hamani. La vision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les stratégies de combat que les populations doivent entreprendre pour apporter leur pierre à l'édifice, voilà, entre autres, les thèmes qui ont été débattus lors de cette rencontre d'échange et de partage organisée par le Mouvement pour la conscience patriotique MCP à Niamey. Cette rencontre est donc un cadre de sensibilisation des populations dans le cadre de la défense de la patrie. Aussi, femmes, hommes, enfants du quartier Kobia et environnants ont répondu massivement à l'appel du MCP pour un moment d'ensemble vers la victoire finale. Jeunes, vieux, hommes, femmes, tout le monde avait besoin de parler, de s'exprimer. Et d'ailleurs, c'est l'objectif. C'est pour ça que le débat, le débat s'appelle Terre à Terre. C'est vraiment de donner la parole libre à tout un chacun présent ici. L'objectif était d'aller vers la population. Et ça ne fait pas longtemps. Il y a des personnes ressources qui parlent au nom de la société ou de la population. Aujourd'hui, nous avons décidé que c'est la, population elle-même qui va s'exprimer. Et cela doit être dans tous les quartiers pour qu'on ait au moins une idée de ce que la population elle-même à la base pense de la situation actuelle. Alors vous avez vraiment constaté l'enthousiasme, ils sont animés, ils ont la volonté. Beaucoup d'entre eux sont très contents de fait d'être le premier et d'être euh, les vrais concernés à s'exprimer. Et ils pensent réellement que euh, les autorités actuelles euh, vont les écouter. Cette initiative noble a permis aux nombreux participants de mieux comprendre la démarche du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans la lutte pour la souveraineté nationale, des actions qu'il faut continuer à multiplier dans tout le pays. Les jeunes du quartier Yantala roukazma ont rendu publique une déclaration dans laquelle ils apportent leur soutien indéfectible au CNSP. Nous faisons note toutes les décisions prises par le CNSP et son gouvernement. Et un, réitérons notre engagement à défendre ces décisions même au prix du sacrifice ultime. Deux, nous exigeons le départ sans condition, sans délai et par tous les moyens des forces impérialistes françaises des terres de nos aïeux. Trois, proposons au CNSP une transition de 5 ans afin qu'il puisse poser les vrais jalons d'un développement économique, social et culturel durable de notre nation. 4. Condamnons sans embâche les sanctions illégales, illégitimes, assassines et honteuses de la CDAO contre le peuple nigérien. 5. Saluons la hauteur d'esprit et l'incroyable résilience du peuple nigérien face aux différentes épreuves qui lui sont imposées par ses frères de la CDAO sous l'impulsion de la France et de son impopulaire président hué régulièrement par ses propres concitoyens. 6. Rendons un hommage mérité à nos frères maliens, burkinabés, guinéens pour leur soutien avéré à notre peuple. Tout en saluant l'Alliance des États du Sahel, ASS, charte signée entre le Niger, le Burkina et le Mali. Déclaration de soutien au CNSP suivie d'une séance de lecture du Saint-Coran organisée par la population de la commune rurale de Tenia, compte rendu à Ritrosa et Lawali Ousseini. La population de la commune rurale de organisée organisée en comité de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a rendu public ce mercredi 20 septembre 2023 à Tanhia une déclaration de soutien en présence du maire de la dite euh, commune, Mohamed Gissa, et de plusieurs chefs de groupement, dont voici la teneur. Apportons notre soutien total et sans faille au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et au gouvernement de transition pour un redressement socio-économique et sécuritaire de notre pays, le Niger, notre patrie. Nous sommes conscients et convaincus que nous n'avons pas d'autre patrie que le Niger. En conséquence, nous condamnons toute agression de notre pays, d'où qu'elle vienne. Nous demandons au CNSP et au gouvernement de transition de prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre son intégrité territoriale contre toute agression intérieure et extérieure nationale de la CDAO et de la France. Nous condamnons toute présence des forces étrangères qui ne soient faites sur des bases légales. Notons également une séance de lecture du Saint-Coran à regrouper les oulémas et la population afin d'implorer l'aide de Dieu, le Tout-Puissant, le miséricordieux, pour que notre pays soit protégé contre les forces rétrogrades et nous gratifie d'un hivernage fécond. Fin des travaux de la première coordination nationale de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN. Lors de ces deux jours de rencontre, plusieurs questions d'intérêt général ont été abordées. La situation socio-économique que traverse le Niger était également au centre de ces échanges. Compte rendu Pascal Sessou Gauthier et Zakaria Moussa. C'est sur une note de satisfaction qu'ont pris fin les travaux de la première coordination de la Confédération démocratique du Niger, CDTN au titre du mandat syndical 2022-2026. Pendant deux jours, les participants à ces assises ont échangé sur plusieurs questions d'intérêt général, notamment la question relative à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, leur intérêt et la question sur la situation sociopolitique que traverse le Niger. Notre confédération réaffirme son opposition à toute intervention militaire extérieur. La solution à la crise actuelle ne se trouve pas au niveau de la CDAO, ne se trouve pas au niveau de l'UMOA, mais la solution se trouve au Niger, entre les Nigériens. Au terme de cette rencontre, qui a été très riche selon les premiers responsables de la CDTN, des résolutions et des recommandations ont été formulées. Apporte son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité FDS dans leur noble mission de défense du territoire national et de protection des personnes et de leurs biens. Demande au gouvernement de transition de les doter davantage de moyens nécessaires à leur mission. Demande au gouvernement de transition le respect strict des dix accords, la poursuite et le parachèvement des négociations sur les cahiers de doléances 2023 de la CDN, la coordination nationale. Le secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger a émis le vœu afin que les échanges entre les différentes structures syndicales soient davantage renforcés, une manière de faciliter le bon déroulement des activités et surtout la cohésion entre ces dernières. Monsieur, dames, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.